Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Oh, on est revenu ici avec vous pour les revenir venir euh, les détails du match euh, précédent contre le jeune d'Arc euh, National Basketball et, et, et, les Patriotes Basketball Club de Rwanda. C'était une vraie prestation de, la part des Patriots qui était qui était derrière depuis le premier carton, deuxième carton, troisième carton. À la fin du troisième carton, ils ont commencé à relâcher. On, sait bien que le, jeu de basket c'est un jeu de quatre quatre cartons et non trois cartons. Donc c'est ça qui a fait que un peu euh, les, les patriotes ont continué du début jusqu'au jusqu'au quatrième quart-temps, ils n'ont pas relâché et ils ont venu ça, montre le, le, professionnalisme du coach qu'ils ont parce qu'ils ont commencé le même rythme que que qu'ils ont commencé le match jusqu'à la fin et d'ailleurs on a même vu qu'ils ont commencé à accélérer à la fin défensivement contre l'équipe parce que à 7 points ils se voyaient euh, favoris de gagner cette match donc ils n'ont pas pris ils n'ont pas hésité de prendre l'avantage sur ça et nous avons vu que leur meilleur, joueur Kastner, numéro 33 Brandon Kastner. Euh, on a toujours dit que c'est un joueur qu'on ne doit pas sous-estimer et c'est un joueur qui, a beaucoup d'expérience. Hein. C'est un joueur euh, qui est, qui est un vétéran de, de, de, basket professionnel dans tous les domaines en Europe, aux États-Unis ici. Et d'ailleurs, c'est un Américain qui a, qui a vécu ici, qui a appris les, son, tout son toutes ses expériences de basket ici d'abord avant de se lancer en, en, en dehors des États-Unis. Bon, il a été le meilleur joueur de l'équipe en, en, marquant 16 points. Et il a 16 points, 8 rubans. On vous, on vous signale que le monsieur là joue comme un meneur dans les matchs euh, qui a 2 mètres, près de 2 mètres 03, 2 mètres 04 comme ça. Un, meneur, ça c'est, ça c'est vraiment inévitable parce que toutes les gens qui le marquent, il y a beaucoup des avantages pour lui parce qu'il est grand détail. Et ensuite, tu es en train de le marquer comme meneur, il n'y a pas beaucoup de meneurs qui est 6'9, 2 euh, euh, mètres 4. Donc, il joue précisément, précisément en dehors des trois points. Donc euh, il a vraiment fait mal là-bas, comme tout le monde le connaît. Et ces deux derniers matchs, euh, et ces deux, son, le premier match, euh, il, a marqué plus de 3, 4, plus que presque 5, même bon, points si je me rappelle bien, en, au premier match. Donc on savait même qu'il allait quand même marquer 20 points, mais à reconnaître que l'équipe de Madagascar, vraiment, ils ont très bien joué. Ils ont vraiment mouillé le maillot du, du début jusqu'à la fin. Mais tu vois qu'à la fin, ils ont commencé à prendre les tirs de trois points qui les a vraiment donner de problèmes euh, à marquer. Et quand il, quand il, dans ce match, dans ce temps dans les matchs, ce temps dans les matchs, quand il perdre la balle et tu donnes l'avantage à l'autre équipe euh, de revenir monter sur toi. Et l'équipe qui jouait le catch-up maintenant en train de compter contre toi. Et donc, euh, ce n'est pas une bonne position qu'une équipe euh, doit se sentir. Et ils ont focalisé sur, ils ont très focalisé, ils ont focalisé leur défense sur le Prince eBay et puis les joueurs qui marquent beaucoup. Et, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont comparer les, les, ils ont focalisé leur défense et leur modèle de jeu sur les sur les, les pivots et leurs joueurs qui marquent beaucoup, mais ils ont carrément oublié qu'il y a des joueurs aussi dans l'équipe qui sont très bien, qu'ils ont d'ailleurs qu'on voit que les Bush oh, Bush c'est un pivot qui a qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de de, expériences aussi joué en jouant aux États-Unis ici, c'est le seul Kenyan qui a joué aux États-Unis ici au NCAA, et il est venu il est il à sa maman là fait venir aux États-Unis ici à bas âge en D'ailleurs, il a très bien joué euh, au Junior College. Il peut aller à Wichita. Wichita, c'est la Division One, euh, malgré qu'il n'a pas beaucoup joué là-bas. Mais c'est une opportunité pour pour lui d'exposer son talent qu'il avait, même ici aux États-Unis, pour les Américains de mont euh, de voir qu'il y a des talents cachés dans les dans les écoles de, de NCA ici aux États-Unis. Bon, Et lui quand même, on l'a on a on n'a pas eu beaucoup utilisé Prince IB parce qu'on a on a on l'a frustré défensivement. On l'a vraiment montré que on, sait, fait. on fait ce que on sait ce que toi tu fais. On a on va se seulement te bousculer et on va seulement t'enlever de ce match. On a vu qu'il a eu des problèmes de faute, il, est frustré. Et donc, les coachs a pris l'avantage sur Bush, qui, qui n'a pas, euh, que les gens ont sous-estimé avant qu'il commence à faire cette prestation. Bush qui a fait des, très bons rebonds, qui a fait des très bons post-moves dans les postes pour finir en, en, tant que pivot. Il est 7 feet, il a à 2 mètres 8, 2 mètres 08 comme ça. Et c'est pas tout le monde qui peut marquer un joueur comme ça qui est grand détail. Et puis, il peut jouer aussi en dehors des trois points comme euh, Brandon Costner, euh, qui est contrairement à Prince Ibe, qui se focalise sûrement à l'intérieur, qui, qui dominait très bien dans l'intérieur, euh, mais aussi on a vu que Bush était en mesure de, de prendre la place de Ibe, Prince Ibe, le, leur pivot titulaire, et que pour donner cet score favorable aux Patriotes. on va, je vais donner la parole à Etienne qui va donner votre expertise aussi avant comparant Seydna euh, Baragay, euh, avant à Abagay euh, au Sénégal aussi pour donner son avis sur ce qui se passe sur le terrain là-bas. Oui, oui, tout à fait. Euh, Chèque, ben, on peut voir, comme tu l'as dit, à partir de la fin du troisième quart-temps, alors que l'équipe de, la gendarmerie nationale basketball de Madagascar menait, euh, ils n'ont pas su gérer euh, cette fin de match et ils ont commencé à, faire un peu de précipitation. Il n'y avait aucune raison d'essayer de tirer trop vite. Et puisque leur meneur titulaire était sorti euh, le meneur qui était rentré n'a pas su contrôler la cadence. Le coach n'a probablement aurait dû demander un temps mort pour changer le rythme de jeu et, et, et, et, leur dire de jouer euh, un peu plus de façon conservative, garder le ballon et ne pas prendre des tirs euh, à la bas vite, mais plutôt essayer de pénétrer, d'autant plus qu'il y avait la collective du côté euh, euh des Patriotes. Ils auraient pu bénéficier des lancers francs et, creuser l'écart. Et c'est la même chose qu'ils ont fait pendant le quatrième quart-temps où ils étaient ils faisaient des tirs, prenaient des tirs précipités et ça ne leur a pas permis euh, de recoller dans ce match vers la fin, euh, donnant l'avantage aux Patriotes qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus, puissants physiquement et qui ont profité de ce moment-là pour euh, aggraver le score et puis finalement euh, remporter cette victoire. Oui, non, Cédina, on va donner Cédina la parole depuis au Sénégal. Cédina, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Ben, bienvenue euh, Cédina, euh, on t'a cherché un peu toute la journée. J'espère que tu as pu euh, voir ce, match très intéressant entre le, la gendarmerie nationale euh, BC de, Madagascar contre les Patriotes. Les gens attendaient un match à sens unique puisque cette équipe de Madagascar s'est quand même pris 47 points contre Monastir et finalement c'est eux qui ont rebondi, c'est eux qui ont contrôlé ce match de bout en bout pour perdre l'avantage euh, euh, carrément au début du quatrième carton et pour finalement perdre ce match. comment tu vois ce match d'aujourd'hui Qu'est-ce que on apprend de cette expérience oui, euh, je, m'excuserai d'abord d'avoir euh, pu regarder qu'à la fin du match, mais euh, ce que j'ai pu constater, c'est que, comme je l'ai répété ces derniers jours, euh, le basket est un sport assez complexe où rien n'est joué d'avance parce que, comme tu l'as souligné, après le premier match, on voyait mal cette équipe du GNPC revenir avec autant de force, surtout devant les Patriots qui ont été assez, assez euh, assez déterminé et surtout assez assez, assez, assez, assez, impressionnant lors du premier match. Parce qu'ils ont, ils ont été assez impressionnants lors du premier match, notamment Kosner, qui a été euh, maîtrisé aujourd'hui parce qu'il s'est limité à 16 points, si je ne m'abuse, et il a été l'un des meilleurs joueurs des Patriots à l'ouverture, ce qui montre que, euh, comme Eugène, avec son expérience dans ses compétiteurs, nous l'annonçait euh, ces derniers jours, euh, ce tournoi-là peut réserver des surprises. Aujourd'hui, le GNBC, GNBC est passé tout proche de créer l'une des sensations de ce début de tournoi. Tout à fait, Sedina. Vraiment, c'est si tu avais vu le, le début du match, on a vu une équipe de euh, de, de, de, GNBC qui n'a pas raté de tir, qui a fait pratiquement un 7 sur 7 pour commencer le match, et que ce soit à trois points, que ce soit à deux points, mais, mais pire encore, qui ont, dé, qui ont défendu euh, malgré leur petite taille, ont défendu cette équipe, euh, ont défendu contre cette équipe des Patriotes qui n'arrivait pas du tout à rentrer dans le match. Et c'était une équipe qui peut-être était n'a pas préparé le match là mentalement, qui était venue en se disant ben ils ont pris 47 points, nous on a gagné 23 points, euh, nous allons marcher sur eux aujourd'hui. Et eh ben non, cette équipe qui était le petit poussé aujourd'hui au, sens propre configuré, puisqu'ils ne sont pas grands de taille ont on peut dire ça, ils ont joué un basketball qui était très organisé, qui était très, euh, on avait des joueurs qui étaient déterminés, qui se battaient sur chaque position de balle, qui plongeaient sur les ballons perdus, euh, sur le sol, qui, euh, lorsqu'il avait des, des, ils faisaient des prises à deux, lorsqu'ils rataient un rebond, ils allaient en prise à deux. En tout cas, on a vu une équipe extraordinaire, Cheikh euh, et Sedina, on a vu une équipe de, euh, de, de, GNBC. Vraiment, on a été impressionné À la limite même, on était devenu des supporters du GNBC <laughs> parce que on ne s'attendait pas à ce genre de basket De basket venant d'une équipe qui a perdu 40, 47, points, de leur premier match. Vraiment, ça montre que le basket, euh, hygiène, c'est, dans le basket, euh, c'est mental, c'est 85% mental. Mhm. Parce que quand tu vois que l'énergie que l'équipe la GNC a amené au premier mi-temps, depuis que le souffler on a soufflé le match qui, qui s'est commencé. Tu, toi-même, tu as vu l'énergie avec euh, l'équipe, euh, comment ils sont en train de damer sur euh, les, les, les équipes favoris pour gagner le truc. Ils étaient étonnés parce qu'ils étaient étonnés que l'équipe là pouvait jouer comme ça parce que pour eux, c'était seulement un bonbon qu'on va seulement prendre pour se profiter. Et c'était pas le cas jusqu'au troisième temps jusqu'à la fin de la, du troisième quart-temps L'écart était du point de tous les matchs. Ça, c'est un jeu professionnel. Ça, c'est la consistance dans les matchs et puis ils ont montré ça pendant trois quarts temps Mais à, reconnaître qu'ils n'arrivaient pas à, à, à, achever les matchs avec le même rythme comme je l'ai dit. Peut-être c'est la fatigue parce que il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Il y a aussi l'inexpérience parce qu'on peut voir à la fin du troisième carton, il il continue à, il mène six points. Euh, L'autre équipe, si j'étais le coach, on va doucement parce qu'il faut qu'ils viennent prendre le ballon. Ouais. Et ils avaient la collective, c'est-à-dire ils pouvaient, ils avaient en prime tout le temps, s'il y avait chaque faute, c'était deux points, de lancer franc. Effectivement. Ils auraient dû jouer là-dessus. Effectivement. Le coach a manqué de faire ça. Je sais pas, il a dû pas faire attention à ça. Ouais. Je vous rappelle que quand, eh, si l'équipe adverse, quand toutes les équipes, quand il fait sept fautes, eh, c'est cinq. cinq, cinq fautes. Oui. Eh, bon, je, voulais parler de, de lancer franc. Donc, dès la, à partir de cinq fautes, lancer franc. À partir de cinq fautes, c'est se lancer franc. Eh, automatique. automatique. Donc, dans, dans le domaine de high school et college, c'est, c'est, sept. Quand tu, États-Unis, ici, quand tu fais 7 en photo, c'est one-on-one. On appelle ça 1-1-1. Hein. Euh, c'est quand tu vas en disque, on va te faire ouais. des Il n'y a pas de one-on-one. Il n'y a pas de one-on-one. C'est directement deux avec ce, voilà. ce tournant-là, les règles. Euh, à reconnaître que... C'est comme la NBA, en fait. Yes, yeah, yeah. Je vois. À reconnaître que euh, vraiment, euh, l'équipe-là se sont battus. Ils ont montré la talent, les talents de l'Afrique. Hein, et, un talent qui vient du Madagascar, hein, qui d'ailleurs, Madagascar n'est pas trop connu en Afrique dans le domaine du basket, même quand tu vois les l'Afro-Basket, eh, Madagascar n'est pas dans la liste hein, des grandes équipes de l'Afrique, mais au moins quand même, ils ont montré qu'ils ont un talent eh, qui peut vraiment jouer au high level et eh, dans les grands levels de, des grands stages. Et comme on l'a dit au début, cette tournant, ce tournant-là va être une expérience euh, pour les jeunes gens de l'Afrique. Hein. Les gens, c'est un, un début euh, de, pour l'Afrique. Hein. Et on dit que quand tu vas euh, chercher de l'argent dans un autre pays, si tu n'as pas de l'argent, tu vas avoir des expériences. Ça va être comme ça avec les équipes là qui sont venues sur ce terrain-là, euh, sur ce grand stage des 12 équipes de l'Afrique qui ont fait de très, très, très bons recrutements et à, reconnaître que nous avons beaucoup de joueurs qui viennent de partout dans le monde, qui ont des expériences, qui sont en train de, de vraiment exposer ça euh, sur ce stage. Ah, donc les équipes vont voir que vraiment le prochain match euh, ou le prochain tournant de BL, ou euh, de Africa League, euh, comment est-ce que je dois me préparer pour ça et comment je dois me préparer mentalement, comment je dois recruter les meilleurs joueurs que je peux les faire venir et comment est-ce que je dois faire me, positionner pour faire une belle prestation et parce qu'on voit que quand depuis que Kigali savait ils vont être le pays organisateur, ils sont très bien, ils se sont très bien préparés à reconnaître que leur coach c'est un coach très expérimenté. Il a gardé son sang-froid parce que tu peux pas coacher une équipe dans la tête. Tu peux, tu peux coacher un joueur avec son talent, qui a des talents qu'il veut exposer dans le, eh, dans le, pour le public, mais tu peux pas coacher un joueur dans la tête c'est trop difficile. C'est les joueurs même qui doivent savoir ça dans la tête que c'est c'est c'est un match que moi je dois prendre l'avantage même en dehors du coach même. Et on a vu que l'équipe de Madagascar avait ça parce qu'on les a on les a euh, battus très mal au, premier match et ils étaient en colère de leur défaite. On, ils ont dit que nous, on a quelque chose à offrir. On va montrer. On va relever le défi. On va relever le défi avec une grande équipe comme ça. C'est vraiment à reconnaître qu'ils ils ont montré qu'ils sont pas une petite équipe. Ils ont joué beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid et beaucoup de, beaucoup de physicalité et puis beaucoup de concentration, concentration combativité. Et, combativité et puis beaucoup de, de passion, quoi. Et quand tu voyais, quand tu regardes le premier, deuxième carton, tu vas vraiment voir que ces gens-là ont joué avec du passion et ils joué ensemble. Et puis, tu vois même de la défense. Quand tu vois un joueur qui est en train, qui est en la défense, la manière dont même le, joueur s'arrête en défense, tu sais que ce joueur-là vraiment veut la balle là. tu vois, il, il, se fléchissait en bas les mains sont là. Bonne position. Bonne position. Ça veut dire que vraiment, moi je veux ça. C'est ce que les Américains disent, I want this game, you know. Et c'est ce qu'ils ont montré jusqu'à troisième ou troisième quart Mais malheureusement, ils ont perdu le match hein, à la fin de, troisième quart temps. à reconnaître que Kenny Gassana, le meneur euh, euh, de, de, de, Patriot, à reconnaître que... Oui, vas-y, ah. Sedina, vas-y. Mhm je disais que je voulais intervenir sur ce point-là avant qu'on le passe, c'est-à-dire euh, la gestion des équipes par les entraîneurs surtout. Euh, parce que Eugène, on se rend compte que tu, fais souvent les remarques, mais il n'y a pas de changement au cours des matchs sur certains, euh, dans certaines équipes. Parce qu'on voit des erreurs que les coachs devraient rectifier à temps, euh, ils ne le font pas, des réajustements tactiques, euh, comme hier lors de certains matchs, ils ne le font pas. Et surtout, euh, ils ne prennent pas les temps morts des fois lorsqu'il le faut. Ils attendent, par exemple, que, l'autre équipe mène de 10 points, de 14 points. Alors que hier, par exemple, dans un match comme celui de Petro Luanda, quand l'équipe malienne de l'ICE Police était en train de revenir, le coach a automatiquement cassé la dynamique de l'ICE Police pour éviter que son équipe ne prenne un trop gros écart. Quoi. Et, pour moi, c'est ce genre de coaching qui manque un peu dans cette compétition. On le voit avec certains coachs, mais on ne le voit pas avec tout le monde. Et euh, sur cette fin de match-là, je pense que si l'équipe euh, du GNBC avait joué le chrono en étant devant à la fin du troisième quart-temps, ils auraient pu avoir une avance beaucoup plus conséquente ou à défaut entamer le quatrième carton avec beaucoup plus de sérénité parce qu'on va mener face à un favori et vouloir euh, au-delà de l'écart qu'on a, créer une nette domination. Euh, je pense que euh, l'affaire de match devait être mieux gérée, surtout du point de vue du coaching, parce que l'équipe devait jouer le chrono comme ils étaient en avance face à un favori, casser le rythme et essayer de maintenir ce, petit écart qu'ils avaient déjà. Tout à fait. En tout cas, euh, tu, as, résumé un peu la situation. Nous allons prendre un break tout de suite et puis on va revenir pour la suite. This is Africa. <laughs> Demain, on est de retour. On va parler du prochain match hein, eh, qui va se jouer dans un instant, au moins de de une dans une 30 minutes, on va essayer euh, de vous dire les détails des équipes qui vont venir. On, a vu que euh, l'équipe qui doit venir le prochain, c'est l'AS Douane contre Maputo. L'AS Douane contre Maputo. Euh, c'est l'AS Douane euh, est, vu comme le favori de match, de gagner cette match euh, qui va venir le prochain. Donc, on a vu que les équipes qui ont perdu, ils ont tendance à venir remonter avec une puissance comme on a vu avec le Madagascar ici. Donc euh, on ne sera pas surpris si l'équipe de Maputo vient aussi avec euh, une idée de revanche contre l'équipe du Sénégal. Et on a vu que le Sénégal, quand même, qu'ils ont fait une très bonne prestation, qui, qui d'ailleurs les, les, équipe équipes qui a marqué presque 100 points. Et quand ils voient une équipe qui, qui marque près de 100 points, c'est comme c'est catégoriquement considéré comme les NBA parce que tu vois que les équipes de NBA ils sont à 90 en 100. ça c'est une équipe euh, qu'on voit qu'il peut marquer en, plus, En jouant moins de temps c'est 40 minutes au lieu de 48 minutes. Oh. Donc oh, ça veut dire que c'est très compétitif oh. et puis l'équipe de Sénégal qui a qui sont qui sont très bien déterminés aussi parce que le pays organisateur ça devait être le Sénégal avant que ça vienne au, Kigali d'abord pour commencer et puis le, le président de, de, ce Basketball Africa League Amadou Galofal il est exactement du Sénégal aussi et je sais bien qu'il y a beaucoup de amis sénégalais que je connais des joueurs sénégalais qui jouent NBA ici à reconnaître que le Sénégal a une réputation du basket euh, très très haut niveau élevé aussi en Afrique. Euh, ils ont des joueurs qui sont un peu partout dans le monde, euh, mais ce n'est pas le cas ici parce que c'est des joueurs locaux, c'est les joueurs locaux qui sont vraiment réculteux. On leur donne les faveurs pour venir exposer leurs talent parce que les joueurs professionnels ont déjà une, une option de jouer et puis évoluer en dehors de leur pays. on voit même quand même que l'équipe de Maputo, on va voir s'ils vont faire la, même prestation que euh, Madagascar a fait aujourd'hui parce qu'on les a battus aussi en, leur dernier match euh, contre quelle équipe je me rappelle pas très bien mais ils ont on a vu qu'ils ont perdu contre l'équipe euh, Zamalek. Zamalek. Les je pense que c'est Égypte. Hein, c'est bien ça de l'équipe Les Zamalek d'Égypte, ils ont perdu contre eux 71 55 à, à reconnaître que l'équipe d'Égypte aussi ils sont très bons c'est les équipes à Maghreb que qu'on espère on, de les voir tous euh, joué très bien. Euh, mais on va voir maintenant comment ce euh, match va finir. Qu'est-ce que tu penses, de l'équipe de... ou bien on va donner la parole à Cédina. On va donner la parole à, à comme il est Dakar. Sedina aussi connaît très bien l'équipe de douanes de Dakar et qu'ils ont fait de très bons recrutements. Et puis leur meneur numéro 14, il est très bien. C'est un, un gars qui peut faire et créer les chats, il peut faire les trucs. Sedina, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'équipe de l'AS Douane du Sénégal euh, qu'on va voir tout de suite avec euh, l'équipe euh, de Maputo au, prochain match Oui, euh, comme je l'ai dit lors de le premier match à Eugène, l'AS Douane, c'est une équipe qui est parvenue à regrouper les meilleurs joueurs locaux. Euh, dans cette équipe, on a les meilleurs joueurs locaux, on a des internationaux qui sont réguliers en équipe nationale. Euh, lors du premier match, lui, Adams n'a pas joué. Apparemment, il était un peu blessé ou préservé par l'entraîneur, mais c'est un, c'est meneur arrière qui est régulier en équipe nationale depuis une dizaine d'années. Le capitaine Al-Khalindour, qui est relativement jeune, c'est un jeune capitaine parce qu'il a à peine euh, une vingtaine d'années. lui aussi, il est il est, il régulier en équipe nationale maintenant. Ce sont des joueurs très talentueux, mais au-delà de leur talent, ils ont une détermination et une rage de vaincre qui leur permet, même quand le match est de faire des différences. Comme on l'a vu lors du dernier match, ils ont gagné à l'usure, pour reprendre un peu les propos de Mais euh, cette, rage de vaincre-là permet à une équipe, justement, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir user l'adversaire. Et c'est ce que Eugène reprochait un peu aux, au Nigérians du, du Hoopers lors du match d'ouverture et c'est ce qu'on a retrouvé chez l'AS Douane. Maintenant, ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est euh, vraiment le relâchement qu'on a constaté chez les Patriots tout à l'heure parce que ça, ça, risque d'être fatal. Eugène le soulignait et il avait raison de le répéter encore et encore ces derniers jours parce qu'aujourd'hui, il a eu raison. Euh, en, tout cas, en, en, voyant le match de tout à l'heure, on se rend compte qu'il a, eu, qu'il a une expérience euh, qu'il transmet à travers ses analyses et une expérience pertinente parce que durant ces derniers jours, il parlait un peu du relâchement. Hier, d'ailleurs, lors du match de Petro-Luanda, il disait que les gens devaient respecter leur adversaire et c'est ce qui permettrait de garantir le succès. aujourd'hui, on a vu que cette analyse de jeunes a toute sa pertinence parce que les Patriots ont failli passer à côté euh, d'un match qui était acquis parce qu'ils n'ont certainement pas respecté l'adversaire ou en tout cas, ils l'ont sous-estimé. Et c'est ce que l'AS Douane ne doit pas faire. Pour gagner ce match, pour le maîtriser, l'AS Douane doit venir avec la même détermination, le même talent et le même respect pour l'adversaire que lors du match d'ouverture. Tout à fait, Cédina. Bah, l'avantage que l'AS Douane a aujourd'hui, c'est qu'ils ont quand même pu voir que l'équipe de Maputo a joué d'égal à égal euh, avec leurs euh, euh, avec leurs adversaires de Zamalek la dernière fois. Et en fait, déjà ça a tiré ça a tiré la puce à je crois à l'entraîneur de l'AS Douane qui est un très bon technicien sur le premier match que j'ai vu et qui a des très bons joueurs techniquement qui sont capables de jouer quatre cartes. Ça, c'est un avantage extraordinaire de cette équipe de douane qui, qui physiquement était venu à bout de GSP d'Alger, justement parce que l'équipe d'Alger a pu tenir trois cartons et puis le rouleau compresseur pendant le quatrième carton et on a vu cette équipe des douanes écrabouiller son adversaire. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, ils vont tenir compte du fait que oh, qu'on se rappelle que cette équipe de Maputo avait fait jouer trois de leurs joueurs pendant près de 38 minutes. Ouais. Hein, leurs meilleurs joueurs sont restés pendant près de 38 minutes. Il n'y a aucune chance mm-hmm. s'ils jouent comme ça aujourd'hui contre cette équipe de douane, l'équipe de douane que j'ai vu jouer contre euh, euh, le GSP, ils n'auront aucune chance de compétir avec eux. La seule manière de pouvoir compétir avec cette équipe de douane, il faudrait que le Maputo puisse utiliser son banc. Or, lors du match préliminaire le premier match, ce qu'on a vu, c'est que le banc a, contribué pour à peine 3 ou 6 points, à euh, Cédina. Et, et, et, le basketball, ça dépend de la profondeur. Et comme je le dis toujours aux gens, le basketball, c'est 12 joueurs, mais 5 sur le terrain. C'est l'utilisation de, de 200 minutes divisé par 12 joueurs. Et les joueurs entrants, parce qu'on joue 40 minutes dans un match, les, les 5 entrées ne devraient pas jouer plus de 27 minutes au total, en jouant 27 minutes et en, donnant les 13 autres minutes aux autres joueurs. De cette manière, euh, ils pourraient compétir au niveau le, le plus élevé. Et de cette manière, ils peuvent maximiser euh, leur rendement parce que ça permet aux joueurs de se reposer, de revenir frais et de tenir la dragée haute pendant tout le match. Mais si vous n'avez pas un banc fourni, oui. Il est impossible de battre une équipe qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus forte. Quoi. De, tenir. Hein. Bon, ouais, euh, à, reconnaître que cette équipe de, de, de, AS Douane du Sénégal, à reconnaître qu'ils ont des, très bons talents et, ils ont fait des très bons recrutements et puis ils ont utilisé les joueurs locaux. Et je veux pas dire que qu'ils ont, ils ont beaucoup d'expérience de jouer à l'Europe aussi. Et c'est le cas de Lamine, Mamadou Lamine Diop, il a très bien joué le match précédent du Sénégal hein, contre l'Algérie. Bon, nous-mêmes, on était étonnés que le Sénégal a, a pu battre euh, le pays Maghreb comme ça, parce que le, quand il joue contre le pays Maghreb, euh, comme on a dit, et on, nous, avons, nous avons vu la Tunisie, euh, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, on voit que vraiment les équipes Maghreb là sont trop dures à battre, mais le Sénégal a, a battu l'Algérie facilement et, ça n'a pas été facile, mais ils ont vraiment resté consistants avec le match du début à la fin. Et puis nous avons vu aussi que le mener en euh, chèque Bamba Diallo. Il a mis 14 points le match euh, euh, contre l'Algérie. Donc on, on, on, expecte de les voir faire les mêmes prestations qu'ils ont fait le match dernier, et si même plus, parce que l'équipe de Madagascar ne va pas se laisser faire. On va vous aussi dire que l'équipe de Maputo, Maputo, je voulais dire, l'équipe de Sénégal, le joueur Chris Conley, et aussi c'est un joueur américain qui joue avec le Sénégal aussi, et c'est originaire de, de, de Georgia aux États-Unis. il joue avec l'équipe du Sénégal maintenant. J'ai l'impression que lui aussi, il, a de la chance aussi de se prouver et parce qu'il a aussi des expériences de jouer ici aux États-Unis et puis en Europe. Chris Jared Courtney, il était un joueur de basket au NCA ici et il a joué ici avec euh, l'équipe de EOB, University of Alabama Basketball Team. Et euh, il a joué à Alabama ici aux États-Unis et puis il a eu des offres de Georgia quand il était au collège, mais il a préféré partir avec Alabama. Donc lui aussi, c'est un joueur aussi. Il a 2 mètres... 2 mètres 0, 2, 0, 3 comme ça, et c'est un pivot. Et je, moi, quand même, je pense que l'équipe du Sénégal a la vivacité et puis l'athlétisme qu'ils ont, et ça doit pas être un problème euh, contre l'équipe euh, euh des, euh, contre l'équipe c'est quel pays même C'est contre l'équipe du, Maputo, Maputo, qu'on doit Ferrovario. Yeah, Ferrovario de Maputo. il ne faut pas oublier, tu as oublié de citer le jeune, les jeunes, qu'on ça euh, Mamadou Faye, Mamadou qui a fait un très grand effectivement, match. Effectivement. Et Mamadou Lamine Diop. Ouais, Mamadou Lamine Diop euh, aussi. Qui se sont. Je pense que c'est yep, les deux éléments sont très bien défendus, défensivement et puis, euh, offensivement. Euh, euh le, ce que moi j'aimais sur l'équipe. Si Oui, vas-y, Sedina. Si, si, oui, si on regarde le premier match, si on regarde le premier match, Mamadou Lamine Diop, c'est un ailier fort qui est utilisé euh, dans le 5 de départ comme un pivot il n'est pas, il n'est pas aussi, peut-être, il est aussi athlétique que les pivots, mais il n'est pas aussi long en taille que, que certains pivots qu'on a vus dans le tournoi. Mais son explosivité lui permet de compenser un peu euh, le déficit de taille. On a vu également que sur certaines actions, il y a des prises à deux. Tout à l'heure, je décris un peu le coaching de certains entraîneurs, mais avec Mamoudou Gueye Paris, on a vu qu'il y a eu un certain altruisme à un moment du match parce qu'il avait des problèmes dans la raquette. Il a mis l'Égyptien Atia Ahmed Hassan pendant un certain moment pour mettre de l'agressivité et de la dissuasion dans la raquette. Et l'Égyptien l'a bien fait à un certain moment. Il, il s'est même permis quelques, quelques interceptions. Il a chupé quelques balles qui ont permis euh, à l'Asdouane de mettre des points en contre-attaque. Mais je pense que euh, si le même système est repris et surtout si les joueurs font preuve de la même application, euh, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas euh, sortir de ce, de ce, match avec une qualification et ouais. lors du premier match. Euh, ouais, Célina, il, il reste. De Maputo. Ouais, Célina, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc euh, nous invitons. je voulais juste terminer sur ce point en fait. 10 secondes. Oui, je disais la surutilisation de l'équipe de Maputo pour profiter à l'AS Douane parce qu'on a vu que Pabi Gay fait une rotation intelligente avec ses joueurs, tout le contraire de son, son homologue euh, de Maputo. Tout à fait, tout à fait. Donc nous invitons nos éditeurs tout à l'heure à suivre euh, ce match euh, qui... Dans 30 minutes, je vous l'ai dit, dans 30 minutes dans, dans une... Le match va commencer dans 30 minutes et on vous invite à, à voir euh, le, ce match euh, qui va être contre l'AS Police, oh, euh, l'AS du Sénégal et puis l'équipe de Mozambique Maputo. restez à l'écoute de VOA, de VOA Afrique. Merci pour votre équipe à suivre les prochains matchs de BL Africa depuis la voie de l'Amérique Washington. C'était Cheikh et avec vous. Et restez à l'écoute. À tout à l'heure.